Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Espace Femmes. Espace Femmes est une émission du studio Kalangu qui parle sur les questions de femmes. L'implication des femmes dans la cohésion sociale au Niger, c'est le thème de notre émission de ce soir. Depuis plusieurs années, certaines régions du Niger font face à une situation d'insécurité. Les régions les plus touchées par cette insécurité sont la région de Difa et de Tilabéi, et un peu de la région de Tawa et Maradi. Cette situation d'insécurité qui prévaut dans ces régions devient de plus en plus persistante. Les principales victimes de ce phénomène sont les femmes et les enfants. Elles se retrouvent forcées de fuir face aux menaces des groupes armés non étatiques. Cependant, les femmes jouent un rôle très important dans la société. Elles ont un grand rôle dans le développement d'un pays et sa cohésion sociale. Alors, quelle contribution des femmes dans la cohésion sociale Quelle action mènent-elles dans ce sens Pour répondre à nos questions d'aujourd'hui, nous recevons comme invité au téléphone, nous avons Madame Haroun Fatouma de la Congafen. Bonjour Madame. Bonjour. Nous avons Mademoiselle Rahilette Mahmoudou de l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction. Bonjour Mademoiselle. Bonjour. Et Madame Gambo Mariama de Mata Bonjour Madame. Bonjour. À la présentation, je suis Zainab Abdou. À la technique, nous avons Amina Hassan. Donc, euh, je commence par vous, Madame Haruna. Oui. Comment les femmes peuvent-elles influencer positivement les relations interpersonnelles et la solidarité au sein de la communauté Merci de m'avoir donné l'opportunité pour m'exprimer devant votre micro et merci pour cette initiative qui est très louable les femmes en tant qu'activistes de paix et de développement, vraiment, elles ont un grand rôle à jouer dans la cohésion sociale et dans les relations interpersonnelles. Vous savez que la femme, elle est un tout. Elle est mère, elle est éducatrice, elle est femme, elle est épouse. Donc, elle a un rôle important à jouer dans les relations sociales. C'est elle, à partir de la femme, que les relations sociales se parce que c'est la femme qu'on parle épouser pour qu'elle forme un foyer. Et que de là, il y a la naissance de la famille. Donc la femme, vraiment, c'est le pilier de tout développement et c'est le pilier de toute relation sociale. Donc la femme a un rôle important à jouer et c'est dans ce sens que nous saluons vraiment l'influence de la femme. Vous savez que la femme a un pouvoir d'influence. Pourquoi quand on prend notre prophète Adam, qui est le père de, de l'humanité entière, Comment est-ce qu'il a été influencé C'est grâce au pouvoir d'influence que Hao a pu l'influencer pour qu'il puisse manger la pomme dans le, le, le, le notre génie créateur. Allah nous a empêché à empêcher Adam de toucher. La le jardin, vous pouvez tout. Il y a un jardin qui est là, vous pouvez tout manger, sauf cette pomme-là. Mais quand même avec l'influence de la pomme, parce que le conseiller, elle est tout. Donc vraiment, elle a un pouvoir d'éducation, elle a un pouvoir de conseil en tant que conseillère. Moi, je pense que en tant que euh, euh, euh, premier socle de la famille, elle peut vraiment jouer un rôle important dans la cohésion sociale et dans les relations pour vraiment améliorer, améliorer les relations sociales. Ok, merci beaucoup. Et Madame Gambo, je viens à vous. Vous, en tant que Mata Doubara Comment contribuez-vous dans la vie de la communauté eh, Donc, euh, nous, en tant que femmes MMD, c'est la structuration. Nous structurons les femmes en groupement, en union, en fédération, pour que les femmes se mettent ensemble, s'écoutent, cotisent et s'entraident. Voilà comment nous organisons les femmes et nous aidons ces femmes-là à travers les formations multiples qu'on leur donne, comme la, vie, euh, comme la formation sur euh, le renforcement des capacités sur la vie associative, sur la gestion de son propre fonds, la formation sur euh, le leadership, le genre, la bonne gouvernance. Donc, à travers ces différents renforcements de, de capacités, les femmes arrivent à comprendre comment vivre ensemble. Et ça, ça les aide à aller de l'avant, ça les aide à se mettre ensemble pour travailler. Et pour développer, il faut tout simplement se dire que les femmes euh, Mata Masudbara sont des femmes, euh, comme on le dit en français, très ingénieuses. Ingénieuses parce que euh, à travers le début du commencement, elles ont compris pourquoi elles sont ensemble et la valeur de l'entraide a fait que aujourd'hui les femmes se soutiennent sur tous les plans. Pour l'éducation de leurs enfants, pour eh, leur vie dans le foyer et pour vivre avec autre que femme Mata et aussi eh, pour aider les autres. Nous avons vraiment eh, amené eh, les femmes à comprendre que ce n'est pas moi la société, mais c'est la société qui me forge. Et qu'à travers ce slogan-là, les femmes ne veulent plus vivre seules, les femmes ne veulent plus eh, être à la merci de n'importe qui parce que, parce que tu n'as pas, ou bien parce que tu ne sais pas gérer ton propre fonds, parce que tout un chacun en a. Le peu que tu gagnes là, si toutefois tu arrives à le gérer comme ils le font. ça te rapporte. Ça devient bénéfique pour toi, pour ton foyer, pour ta famille, pour ta, communauté. Et maintenant, c'est ce que nous avons eu à faire à travers le, MMD. Le MMD n'est pas seulement se retrouver pour euh, cotiser et puis quitter, non. Le fonds que nous amassons permet aux femmes d'aller eh, un peu plus en avant parce que ça leur permet de faire des AGR, activités génératrices de revenus. Elles prêtent dans ce fonds-là au lieu d'aller à la banque où on te demande une garantie, où on te demande eh, eh, de remplir tel ou tel euh, papier et aussi des intérêts. Non, tu prends dans la caisse MMD, tu fais ton petit commerce, puis tu ramènes et ainsi de suite quand ça va au-delà de la caisse, c'est à ce moment-là que nous disons que, bon, une telle toi, tu dépasses la force de la caisse, donc il faut aller dans telle ou telle structure bancaire pour euh, prendre un peu plus gros et que ce que tu as l'habitude de prendre. Mais sinon, tenez-vous bien, il y a des, des, groupements et, des structures MMD qui peuvent donner. Hein, jusqu'à plus d'un million, de deux millions, voire cinq millions à, aux membres pour qu'elles fassent le commerce. D'accord. Je viens à vous, mademoiselle Rahilatou. Dites-moi, quels sont les moyens les plus efficaces pour encourager la jeunesse féminine du Niger à s'impliquer dans la vie de la communauté Ok, merci beaucoup. Euh, pour moi, les moyens, c'est d'abord l'éducation il faut d'abord que ces jeunes filles aient accès à l'éducation, qu'elles soient vraiment scolarisées, de la meilleure des manières, qu'elles aient ici, euh, si on peut parler de l'égalité des chances, les mêmes formations que les garçons. Il faut aussi renforcer le leadership de ces jeunes filles. Aujourd'hui, la plupart de ces jeunes filles, elles sont là, mais je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas leaders, mais ça manque. Ce leadership manque à ces jeunes filles. Parce que souvent, le plus souvent, ce sont les garçons qui sont devant. Donc, elles, elles se retirent. C'est-à-dire qu'elles sont un peu marginalisées, elles ne sont pas encouragées. Donc, le leadership féminin aussi, il faut le renforcer. Il faut aussi, euh, je, vais dire, euh, encourager l'entrepreneuriat des jeunes filles. Parce qu'aujourd'hui, en tant que jeune fille, quand tu essaies d'entreprendre, il y a tellement de difficultés, de préjugés et tout, qui fait qu'à un moment, tu abandonnes tu te dis, bon, mieux je laisse tomber, je vais être femme au foyer, et puis voilà, c'est bon. Voilà un peu moi ce que je pense. L'autonomisation, renforcement de, du leadership, mais d'abord l'éducation, la scolarisation. Il faut qu'elle soit scolarisée pour connaître déjà ses droits et devoirs, qu'est-ce qu'elle a comme devoir envers la société pour pouvoir contribuer au bien-être de cette société. D'accord. Avant de continuer, nous allons écouter les témoignages de certains citoyens sur l'implication des femmes dans la cohésion sociale. Donc moi je pense que comme on a coutume de le dire euh, dans notre jargon, que les femmes d'abord ce sont, ce sont nos, euh, euh, nos femmes, ce sont nos mamans, ce sont nos soeurs au foyer. Donc dans ce, cadre-là, ils peuvent indiquer des conseils à la maison, à, à, leurs enfants, à leurs, leurs frères et à leurs maris que nous sommes. Dans le cadre de, de, la cohésion sociale. Mais s'il y a un cas de, conflit, de conflit, peuvent indiquer des, des, conseils de paix entre les gens. Donc, euh, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, <clears throat> les femmes euh, participent beaucoup euh, à ce qu'on appelle les associations il participe aussi à différents comités, hein, à des activités des ONG, notamment les euh, activités de type violence basée sur le genre. Donc, euh, euh, c'est des endroits mais aussi des coopératives. Hein. Donc c'est des endroits où, où des lieux où les femmes peuvent toujours donner des conseils, hein, des conseils de, solidarité entre elles d'abord, des conseils de paix entre, entre elles et, donner aussi toujours des, conseils par rapport aux euh, euh, les relations entre eux, entre elles et les, hommes. Voilà, voilà en quelque sorte ce que j'ai à dire. La contribution de la femme, c'est d'abord donner une bonne éducation à ses enfants, leur apprendre à bien respecter les aînés. Lorsque les enfants ont reçu une bonne éducation, ils seront toujours des enfants polis. L'apport que les femmes de Tilaberi peuvent apporter dans la cohésion sociale, l'unité et la paix, surtout entre elles, c'est de se souder. Et puis, elles doivent se demander comment avant les femmes font pour consolider cette paix, cette union entre elles dans le village et dans le quartier. Si on se rappelle, à l'époque, si une femme accouche, toutes les femmes se réunissent autour d'une bouillie fabriquée avec le natron. Toute une semaine, elles se rassemblent dans la fraternité, la joie et la cohésion. Elles dansent, elles chantent, de l'allégresse, la symbiose. Cette rencontre entre ces femmes crée l'union. C'est vrai, aujourd'hui, les choses ont changé. Malgré tout, les femmes actuelles essayent de consolider cette pratique afin de préserver l'unité et la cohésion. C'est pour moi une occasion de les saluer et de demander à ces femmes de poursuivre cette action loi. Que Dieu les aide dans cette voie. Donc, euh, vous avez écouté les témoignages. Je commence par vous, Madame Gambou Mariama. Que pouvez-vous nous dire à propos de ces témoignages En tout cas, ce qui découle de tous les témoignages euh, ensemble, c'est que la paix, la paix est quelque chose de précieux que tout le monde doit vraiment préserver. Et je soutiens à 100% ce que les témoins ont dit, surtout celle qui a parlé de l'éducation donnée aux enfants dès le bas âge. L'éducation de l'enfant qui, en quelque sorte, fait de l'enfant ce qu'il va devenir d'ici peu. Parce que si tu ne montres pas, tu ne dis pas, tu ne démontres pas par le comportement à l'enfant que la vie ensemble est précieuse, vivre ensemble implique vraiment des valeurs à l'enfant. Et que si par exemple un enfant laissé à lui-même dès le bas âge rentre dans une communauté, son comportement laisse à désirer. Maintenant, si l'enfant de son bas âge, tu lui apprends comment vivre avec les autres, comment se comporter, quel comportement il doit faire devant celui qui est plus âgé que lui, quel respect il doit à toute la communauté. S'il n'a pas appris ça dès le bas âge, et vraiment d'ici peu, tu auras des problèmes à lui dresser. Le jour où il va rentrer dans la communauté, il va sortir du cadre de la famille et il va commencer à vivre avec ceux qui ne sont pas de la famille. Ça sera un problème pour lui. Donc, dès le bas âge, inculquons aux enfants le comportement le meilleur pour vivre dans la communauté. Dans notre jargon, on dit que on vit avec le caractère de la personne au lieu de vivre avec la personne elle-même dans une communauté, dans une société, vous allez voir qu'il y a des gens dont les caractères, on ne peut pas, on ne peut pas leur empêcher. On a beau faire, on peut les remodeler pour qu'ils deviennent ce qu'ils ne sont pas. Dans le bon sens, ça ne change pas. Et nous, nous nous adaptons. Si la personne veut dire I et qu'elle dit O, toi tu as compris que ce n'est pas I et O qu'il veut dire, mais c'est I qu'il veut dire. Alors tu vas dans le sens de ce qu'il veut dire au lieu de ce qu'il a dit. Et comme ça, la vie en communauté devient une vie eh, en symbiose, une vie très, très, très, très simple. Alors, euh, mademoiselle Rilet, vous avez écouté ces témoignages. Que pouvez-vous nous ajouter euh, Par rapport à ces témoignages, moi, je vais compléter ce que madame Gambo a dit. L'aspect sur lequel ils ont tous parlé, c'est l'éducation. Donc, la femme, elle est éducatrice. Elle éduque les enfants à devenir demain des personnes responsables. Elle est aussi conseillère. Elle donne des conseils qui permettent vraiment de, même quand il y a des conflits, d'atténuer la situation et tout ce qui va avec. Et aussi, il y a un des, intervenants. des intervenants qui a parlé de la participation associative des femmes. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus impliquées dans tout ce qui est mouvement, tout ce qui est association. Donc, ça leur permet d'apprendre, ça leur permet de développer leur leadership, ça leur permet de, d'être autonome, ça leur permet de vraiment comprendre c'est quoi leurs droits, c'est quoi leurs devoirs pour pouvoir aider, si je peux dire au maintien de la cohésion sociale dans la société. Chers auditeurs, veuillez nous excuser, nous n'allons plus continuer avec Madame Harouna Fatouma compte tenu d'un problème de réseau. Donc, euh, je viens à vous, Madame Gambo Mariama. Dites-nous, comment abordez-vous les différences culturelles ou socio-économiques pour favoriser l'inclusion et la solidarité au sein de la communauté Nous, vraiment, au MMD, on se dit qu'il n'y a même pas de différence. Pourquoi Parce que tout simplement, et quand tu adhères au MMD, il y a des principes. Et ces principes-là, c'est à même ça que tu adhères, ce n'est pas à autre chose que tu adhères. Dès lors où nos traditions, notre culture, nos us, nos coutumes et même notre religion nous sommes posé des choses qui nous amènent à dire que ça c'est mieux que ça. Donc nous allons directement vers ce qui est mieux. Le meilleur pour la vie en société, c'est ça que nous développons. Et c'est ça qui fait que très tôt, les femmes laissent tomber ces divergences-là. Parce qu'on se retrouve par exemple euh, chaque semaine et nous avons des règlements intérieurs et au sein de chaque groupement. Et chaque groupement adapte son règlement intérieur aux membres ou à l'objectif ce qui fait que nous avons une vision. Comment atteindre cette vision Nous avons des objectifs. Nous avons les règlements intérieurs, les statuts qui nous guident pour aller vers ce qu'on veut. Chaque semaine, quand on se retrouve dans chaque groupement, il y a un thème sur lequel il faut débattre. Il y a un thème. Notamment, c'est sur des débats-là que vous débattez sur la cohésion sociale. Oui, deux personnes qui ne s'entendent pas, nous, c'est à travers ce genre d'échanges que nous amenons à ce que ces deux personnes s'entendent. Et nous faisons à ce que qu'il n'y ait même plus de mésentente entre les personnes. Nous prenons le dialogue. Avant que ça n'arrive dans le groupe, voilà ce qui s'est passé. Les deux doivent s'entendre, doivent échanger, s'excuser et que le problème n'arrive même pas dans le groupement. Et si ça arrive, on prend un thème qui va les apaiser et on parle sur ce thème-là. Et vous allez voir que nous avons des médiateurs. Dans chaque groupement, il y a un poste de conseiller. Donc, les conseillers jouent leur rôle. Voyez bien, la structuration fait en sorte à ce que nous ne sommes jamais chacune comme un union qui est dans l'air. Nous vivons dans une société et cette société a des règles et des règles. Et qu'il faut se plier à ces règles-là. Et le fait de débattre chaque retrouvaille sur un thème donné sur lequel on prend 30 minutes d'échange fait que ce que tu n'as pas compris, tu arrives à le comprendre. Vous cultivez le savoir-vivre. Nous, nous, nous, cultivons le savoir-vivre. Et ce savoir-vivre que nous cultivons dans le groupement va au-delà du groupement dans notre communauté. Donc, euh, dans la communauté, nous avons l'habitude, quand il y a mariage, il y a baptême, lorsque nous nous retrouvons, au lieu d'écouter des isanis, au lieu de, parler de, de, choses qui n'ont pas d'importance, qui ne nous rapportent rien de bon, dès qu'on commence ce genre de choses-là et qu'il y a des membres de groupement, tout de suite, vous allez voir, une d'entre elles va apporter un thème. Elle va placer ce thème-là autour duquel tout le monde va se mettre et on parle de ça. Et souvent même en cas de décès, quand on s'assoit, on fait ça, on joue ce rôle-là pour que les autres qui ne sont pas dans le groupement bénéficient de ce que nous, nous avons déjà bénéficié. Merci Madame, nous reviendrons à vous. Mademoiselle euh, Rahilatou, dites-nous, comment les jeunes peuvent-ils jouer un rôle actif dans la promotion de la cohésion sociale et de l'inclusion au sein de la communauté euh, Je pense déjà que les jeunes doivent se comporter en responsable. Éviter tout ce qui est comportement néfaste comme la consommation des stupéfiants et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, il y a tellement de, de mouvements et d'associations de jeunes. Donc je pense que si ces jeunes s'impliquent réellement dans ces mouvements et associations, ils vont énormément apprendre. Ils vont déjà comprendre comment vivre en société, comment régler les conflits et tout. Et donc, même dans leur entourage, s'il y a des conflits, ils sauront déjà comment régler. Mais on ne peut pas venir rester et dire que non, il faut que moi, je, il faut que je trouve un bureau et tout. Non. La construction de la cohésion sociale, moi, je pense que ça se fait déjà à travers les associations. Vous intégrez les associations à tellement d'activités qu'on fait et ça vous permet de, de développer votre leadership, ça vous permet de comprendre comment vivre en société, les comportements responsables et tout. Et à travers là, je pense que qu'on peut facilement contribuer au, maintien de la cohésion sociale. Donc, euh, selon vous, les activités associatives sont une solution pour le maintien de la cohésion de la paix Exactement, oui. Donc, euh, je vais vous poser une autre question. Les activités et les organisations qui sont dirigées par les femmes, mm. comment elles contribuent à créer des liens plus étroits et à renforcer la résilience sociale au sein de la communauté Un exemple serait, euh, nous, par exemple, au niveau de la un de nos domaines d'intervention, c'est les violences basées sur le genre. Hum. On part, on fait des sensibilisations aux femmes. Déjà, quand c'est entre femmes, le message, ça passe plus vite. Donc, on part, on sensibilise ces femmes sur quand vous êtes victime de violence, comment vous comportez, où aller, vers qui vous référez. Et là, quand ces femmes, euh, déjà, ça, ça leur permet de... Quand la, femme connaît ses, ses droits, quand elle est violentée, elle sait où aller, donc ça lui permettra de vraiment vivre son plein potentiel, ça lui permettra d'être autonome et tout. Et quand elle revient, là, ces femmes, elles ont leurs droits, elles connaissent leurs droits, elles vont partager le message aux autres femmes. Et je pense que ainsi, c'est une chaîne, ça continue on t'apprend, tu pars, tu dis à l'autre, elle part, elle dit à l'autre, et c'est une chaîne, ça contribue, ça, continue. Et là, les femmes, je pense que c'est ainsi, à travers les sensibilisations, à travers les focus groups qu'on fait, qu'elles arrivent à créer des liens vraiment étroits entre elles. Avant d'entamer la troisième partie de notre émission d'aujourd'hui qui portera sur comment renforcer la cohésion sociale, place à notre portrait du jour. Âgée de 72 ans et mère de quatre enfants, femme leader, Hajia Bibi Ahmayad a fait de la consolidation de la paix et la cohésion social son cheval de bataille dans la région d'Agadez. Moi, je suis partisane de la paix. Je suis une femme qui veut toujours la paix. Parce que la paix, là, c'est très important, surtout pour nous les femmes. Nous les femmes, vraiment, nous souhaitons toujours que la paix soit dans nos familles, soit dans nos, dans nos foyers, que la paix soit dans notre région, que la paix soit dans notre pays. Parce que sans paix là, il n'y a rien qui va marcher. Moi, mon souhait, c'est que mon pays reste en paix, ma région reste en paix et que tout le monde va à ses occupations le parcours, le parcours que moi j'ai eu à faire et les pas que j'ai eu à faire dans la région d'Agadez, c'est des pas de, de la paix, la cohésion sociale, euh, la sensibilisation des jeunes, la sensibilisation sur tout ce qui est bien, parce que nous avons lancé beaucoup, beaucoup que, la paix s'installe dans nos régions et dans notre pays. Nous avons tenu plein de discours qui apaisent l'attention des hommes et des femmes. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas la paix, rien ne va marcher. On souhaite seulement que tous les partisans de la paix mettent une main, une main claire sur euh, la paix présidente de l'association des femmes Chatahad, Pléiade en français, à travers laquelle ils ont contribué dans le rayonnement de la paix et la cohésion sociale. L'association Chatahad, c'est une association qui a duré longtemps. Donc c'est une association qui a fait beaucoup d'efforts. Et jusqu'à présent, elles sont là et on contribue toujours. On, toujours on, fait appel, toujours on fait appel à la paix. Dès qu'il y a quelque chose qui, concerne les femmes, l'association est toujours aux côtés de ces femmes-là pour vraiment soutenir des objectifs qui ne sont que de rester dans, la famille, que d'avoir la paix, que d'avoir euh, la tranquillité d'esprit de tout un chacun. Figure emblématique dans le cadre de la consolidation de la paix dans la région d'Agadez, Hajia Bibi a beaucoup contribué pour le retour de la paix au cours de la rébellion dans le nord Niger aux côtés de ses sœurs. Hajia Azara Alitan, l'une de ses amies proches de combat, témoigne ici les qualités d'une femme exceptionnelle. Bibi est une femme leader, une femme respectable, et respectueuse aussi, qui connaît la valeur de tout être humain, quel que soit son âge, quelle que soit sa, nationalité, quel que soit. Et dans le cadre de la paix, on a fait beaucoup de. Libye était l'une des pièces maîtresses, je dis bien pièce maîtresse de la consolidation de la paix dans la région d'Agathe. C'est un travail que nous avons eu à faire et elle a toujours été présente physiquement, moralement et même financièrement. Vraiment, elle a beaucoup aidé. On a fait beaucoup de choses. Je ne peux pas vous dire, euh, voilà, les nombres ou le poids de ce qu'elle a fait. C'est très lourd et c'est beaucoup. Donc, euh, c'est vraiment une grande, grande, grande figure de la région d'Agadez. On a fait beaucoup de choses dans le cadre, surtout, surtout, surtout en ce qui concerne la deuxième rébellion, où quand même c'était chaud, chaud. Touché par les poids de l'âge, le vœu de Hajabibi Ahmayad est aujourd'hui d'avoir des jeunes femmes relais qui puissent continuer les combats. Donc, euh, je commence euh, toujours par vous, mademoiselle Reilatou. Quels défis les jeunes rencontrent-ils lorsqu'ils cherchent à s'impliquer dans des initiatives de cohésion sociale et comment peuvent-ils les surmonter Un des défis, c'est déjà que quand il y a des aînés, quand vous êtes jeune, vous venez, vous essayez de d'intégrer, on vous dit que non, vous voulez vous amuser, vous n'êtes pas assez responsable. Et c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que les jeunes se comportent en responsable. Il faut qu'ils arrêtent certains comportements comme la consommation des stupéfiants et tout pour montrer vraiment aux aînés que nous sommes responsables et que nous pouvons porter des initiatives qui peuvent contribuer au maintien de la cohésion sociale. La responsabilité surtout, il faut vraiment qu'on soit responsable. Mm, en dehors de la responsabilité, il n'y a rien d'autre que vous pouvez ajouter En tout cas, c'est surtout la responsabilité. D'accord. Donc, Mme euh, Madame Gambo, quels sont les moyens les plus efficaces pour encourager davantage de femmes à s'impliquer dans la promotion de la cohésion sociale et de la paix communautaire Les moyens les plus efficaces. Donc moi, je vais commencer par, premièrement, c'est l'autonomisation. Il faut que les femmes, les jeunes soit autonome. Et quand je parle de l'autonomisation, je parle d'une façon générale. Il y a l'autonomisation économique qui est d'ailleurs le meilleur des autonomisations. Et si vous voulez, on peut débattre là-dessus. Euh, l'autonomisation politique, l'autonomisation sociale même. Et enfin, nous avons une autre sorte d'autonomisation que les gens ne cherchent pas à comprendre, mais qui est de meilleurs c'est laisser l'enfant s'épanouir, la femme s'épanouir et prendre des décisions d'elle-même. Donc, euh, si je parle de l'autonomisation, c'est pour dire que, je l'ai dit déjà, tant que tu as de quoi subvenir à tes besoins, personne ne peut t'influencer. La deuxième des choses maintenant, pour que la paix soit dans la cohésion sociale dans une communauté, il nous faut avoir un terrain d'échange, un terrain de dialogue. Et dans ce terrain de dialogue-là, moi, je pense hein, et je le dis haut et fort que il faut que tout à l'heure, elle a parlé d'aînés et de et, de, et jeunes ou de, de, de moins âgés et de moins âgés. Moi, je pense qu'il faut qu'on retourne dans notre coutume, accepter l'arbre à palabres. Il faut qu'on retourne là-bas. Lorsque l'arbre à palabres existait, il y a le groupe des jeunes, il y a le groupe des femmes, il y a le groupe des hommes sous le même arbre. Les gens échangent. Deux fois, le groupe d'hommes est en train d'échanger sur quelque chose que le groupe de femmes n'est pas en train d'échanger. Un mot échappe et que quelqu'un entend dans le groupe de femmes. Et attendez, attendez. Hein. Vous voyez, il parle de telle chose et pourquoi pas nous donc, en ce moment-là, vous voyez, tout le monde sera informé. Et le fait qu'on soit sous le même arbre nous permet d'avoir confiance l'un à l'autre l'un en l'autre. Si nous avons cette confiance-là, je ne te cacherai jamais que quelqu'un m'a approché. Voilà ce qu'il veut. Et ce que je te dis là, peut-être que moi j'ai cautionné le fait que eh, cette personne veut telle chose, mais toi, peut-être plus âgé que moi, peut-être plus expérimenté que moi, tu me dis attention, hein, il peut ne pas vouloir ce que toi tu, tu comprends là, et que en dessous, voilà là où il veut t'amener. C'est comme ça qu'on peut se sauver, sauver l'autre aussi. Et c'est comme ça qu'on peut informer, informer et que l'information monte là où on peut y remédier avant que ça ne se gâte. Il faut qu'on revienne à l'arbre à palabre, s'accepter, vivre ensemble. Il n'y a plus de ce sont les hommes ici, ce sont les femmes ici, ici ce sont les jeunes. Non, prenons les mains des jeunes, venons avec ces jeunes-là sous l'arbre à palabres et échangeons ensemble. Il y a des jeunes qui peuvent réfléchir mieux que ceux qui prétendent être, et comment on appelle ça Plus âgés. Être plus âgés et qui veulent imposer leur, le poids de leur âge dans la prise de décision. Mais en échangeant, on va se rendre compte que ce jeune, ce qu'il a amené est vraiment réel et que ce qu'il a dit, nous devrons prendre en compte ce qu'il a dit. Moi, je pense que si on arrive à sauver ces trois faces-là, tout le monde va venir voir le mal et tout le monde va se mettre ensemble pour contrecarrer. Mais si on laisse tout le monde ou les uns et les autres faire ce qu'ils pensent que c'est bon, non, non, non, non. Ce n'est pas tout ce qu'on pense que c'est bon qui est bon. Il y a deux fois ce que moi je pense qui est bon pour, pour, pour moi ou pour ma communauté. Tu ne l'es pas. Mais si je n'échange avec personne, je vais être, je vais rester, mais camper sur mon idée. Alors qu'en échangeant, je peux comprendre que je me suis trompé. Il faut qu'on ramène, je dis bien, et, la causerie, les échanges, la vie ensemble, le vivre ensemble, qu'on le ramène dans notre communauté. Avant, nos parents ne vivaient pas comme ça. Ils ne vivaient pas comme ça. Ce sont eux qui nous ont éduqués et ils ont été éduqués par leurs parents. Et voyez que nous, à notre tour, on cherche à éduquer nos enfants, mais je ne sais pas si c'est dans le bon sens qu'on est en train de le faire ou pas, parce que la rue est en train de prendre les enfants. Et je profite sur votre micro pour dire la prise de stupéfiants se fait grâce à un seul élément qui est dans un groupe où tout le monde est sérieux. Pourquoi le seul qui rentre dans un groupe où tout le monde est sérieux déstabilise tout le monde Parce que ce groupe-là s'est constitué sans avoir et, un objectif ou une vision. Sinon, l'autre ne peut pas venir. Tout à l'heure, en passant au rond-point église, je me suis dit que pourquoi ne pas attirer l'attention de la et, du CNSP Pourquoi récupère ces enfants-là. Quelque part, la communauté a besoin d'eux. On peut les récupérer. Autant de feu Tanja, ils faisaient ça. La nuit, on vient, on les prend, on les amène dans un endroit où ils sont suivis par des des psychiatres. Des psychiatres. Maintenant, vous allez parvenir voir celui qui était en train de marcher peut-être nuit là. Il est récupéré aujourd'hui, il est en train de vendre quelque chose pour s'en sortir. Donc pourquoi ne pas attirer l'attention C'est là où va toute la jeunesse nigérienne si on ne fait pas attention. Parce que la drogue est accessible. On peut la trouver n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Toutes les agressions que nous subissons, ce sont nos propres enfants, ce n'est personne. Parce que si ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de ton voisin. Si ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de ton parent. Donc vraiment, dire que moi, je, que, je peux m'occuper dire qu'on vit en société et on a le souci que de notre, notre euh, euh, euh, famille restreinte là, on n'a pas le souci des autres. Moi, je pense que vraiment, et on devrait revenir, on devrait réfléchir. Nous devrons nous dire que si nos parents ont réussi, c'est parce qu'ils vivaient en symbiose dans la communauté et que nous devrons faire comme eux. Et si on ne fait pas comme eux, et, voilà ce qui nous est arrivé. Et ce qui va arriver à ceux qui viennent après nous sera pire que ce qui arrive aujourd'hui. Mais la première des choses, c'est le travail, l'autonomisation. Et si on doit être autonome économiquement, il faut d'abord travailler. Merci. Donc, euh, vous avez un dernier, un dernier mot Mon dernier mot, c'est de vous remercier de, m'avoir appelé euh, sur ce thème qui me tient beaucoup à cœur et que et je pense que ces quelques minutes ne nous ont pas suffi. Nous sommes cadrés par vos euh, questions et que désormais, il faut préparer des questions un peu plus... Et, smart. Merci. Merci, nous en prendrons compte. Et mademoiselle euh, Rahilatou, vous avez un dernier mot mon dernier mot, c'est déjà de vous remercier. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je vais terminer par euh, une phrase, dire que la femme est le pilier du développement. Donc, elle doit être impliquée dans tout ce qui est prise de décision et tout pour vraiment maintenir la cohésion sociale. Merci beaucoup. Attendez, elle vient de me rappeler que la femme est la première à voir le danger venir. Elle apprend telle la rue, autour du puits, sous l'arbre où elle pile leur, leur, mille là. Il y a un, exemple que je vais vous donner. C'est assez passé à Kolo. Mon mari était prisonnier en son temps. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, euh, une femme, elle est du MMD, sortie pour ramasser du bois. Les femmes sortent pour aller ramasser du bois pour les plats du soir, de l'après-midi. Donc, elle est sortie. Quand elle est sortie, elle a constaté quelque chose pas loin du, village, de Kolo même. C'est du nouveau pour elle. Elle a fait quelques pas. Elle sentait le poids du regard de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a vu. Alors, elle s'est accroupie, elle a commencé à gémir. Ils sont venus vers elle, lui ont demandé. Elle a dit qu'elle ne sait pas, mais c'est comme si c'était quelque chose qui l'a piqué sous le pied. Et pendant qu'ils sont en train de chercher ce qui s'est passé, pendant qu'ils sont en train de s'inquiéter pour la femme, elle, elle inquiétait. Elle inquiétait. Et elle a même fait semblant d'avoir soif. Elle a pensé comme ils doivent ne pas penser. Ils l'ont amenée vers leur stationnement pour lui donner de l'eau. Qu'est-ce que tu es venu faire C'est du bois que je suis ramassé. Ils l'ont aidé à ramasser son bois. Ils lui ont fait le fagot. D'ailleurs, un a transporté le fagot jusqu'à quelques mètres de l'entrée pour lui dire Moi, je ne peux pas dépasser ici. Je vais retourner là-bas. Et il lui a donné son fagot. Quand elle est rentrée, la première des choses qu'elle a faites, c'est d'aller trouver le chef de son quartier. Chef, j'ai vu déjà. Moi, je ne connais pas ce genre de chameau-là. Nous, chez nous, il n'y a pas de chameau. Ils sont sur des chameaux. Mais ils ont campé à tel endroit. Voilà ce qui s'est passé entre nous. Mais maintenant, quand ils m'ont amené pour me donner de l'eau là-bas, j'ai constaté qu'ils ont même des fusils. J'ai constaté, ils ont, ils veulent, ils sont en train de préparer à manger. Elle a dit tout, tout, tout ce qu'elle a vu. Voyez bien, le chef de quartier n'a pas blagué avec ce qu'elle a dit. Lui aussi, à son tour, il a informé, euh, informé le chef de canton de Colo le chef de canton de Kolo a informé la gendarmerie et en même temps le préfet. Et l'endroit où elle a indiqué, c'était justement à quelques kilomètres, et à quelques, euh, ça ne vaut même pas un kilomètre, de la prison civile de Kolo. Mais vous savez, derrière la prison civile de Kolo, il y a des dunes de sable. Donc, une dune peut empêcher de voir celui qui est un peu en, en bas par rapport à la dune. On ne les apercevait pas. Ils ont alerté vite Niamey a envoyé des renforts et ils se sont dit que quel que soit Alpha, ils veulent attaquer euh, la, nuit parce qu'ils ne vont pas attaquer le jour. C'est la nuit qu'ils vont, qu'ils vont attaquer. Maintenant, la nuit, ils vont attaquer. Eux, ils sont venus et comme eux, ils ne se sont pas intéressés à ce qui se passe dans Colo, ils n'ont pas l'information. Maintenant, lorsqu'ils ont voulu, vers 18h, avoir l'information, c'était trop tard parce que l'armée nigérienne connaît le terrain, ils les ont encerclés. Il y a eu quelques tirs seulement, ils les ont pris. Voyez bien, si cette femme-là n'avait pas informé, qu'est-ce qui se passera Ça serait une tragédie. La rétention de l'information n'est pas bonne. Et enfin, il faut apprendre aux gens à s'extérioriser. Oui, parce que si le chef de quartier n'écoutait pas les femmes, elle n'allait pas partir vers lui. Et finalement, elle va se dire à qui je vais dire. Même si elle veut informer, elle ne pourra pas le faire. Donc voilà ce que je, voulais ajouter. Ah, merci beaucoup. Donc, euh, chers auditeurs et auditrices du studio Kalango, nous sommes maintenant à la fin de notre émission, dont le thème était l'implication des femmes dans la cohésion sociale au Niger. Les personnes que nous avons invitées ont précisé que pour que la femme soit impliquée dans la cohésion sociale, il faut qu'elle soit éduquée. Il faut aussi mettre fin au conflit de génération. Il faut qu'on tende vers la responsabilisation de la jeunesse, l'autonomisation de la femme et leur implication dans la vie associative. Nous avons reçu comme invité Mademoiselle Rehilatou Mahmoudou de JFSR. Merci mademoiselle. Madame Gambo Mariama de Mata Masudubara. Merci beaucoup madame. Et au téléphone, nous avions Madame Haroun Fatouma de la Kwangafen, qui malheureusement nous avons perdu en cours de l'émission, faute de problèmes de réseau. À la présentation, j'étais Zainab Abdou et à la technique Amina Hassan. Nous vous laissons maintenant avec notre rubrique Loti. c'est vrai Ouais, chauffeur Arrêtez la voiture. Je descends là. Subhanallah. Quelle odeur ce taxi empeste. Hé eh, Hawa, tu vas où comme ça Je vais chercher du charbon et un peu d'encens pour mettre dans notre bureau. Ah mais il fait chaud et l'encens va réchauffer la salle. Justement, c'est à cause de la chaleur. Bref, je veux finir et je te reviens après. Il faut qu'on parle. D'accord, sans problème, à ton retour. Ah, la salle est parfumée. Merci Hawa. Ce n'est rien. On peut parler à présent, ma chérie Oui, je t'écoute. Voilà, Anna, j'espère que tu ne prendras pas mal ce que je vais te dire. Tu sais, je t'aime bien et je te respecte énormément, mais tu dois vraiment revoir ta gamme de soins corporels et ton parfum. Qu'est-ce que tu veux dire Je noircis ou bien le parfum sent pas trop bon Eh bien, tu ne noircis pas. Ce que je veux dire, c'est que ton odeur corporelle domine la salle et quand on rentre dans le bureau, ce n'est pas agréable du tout tu m'appelles pour me parler à midi et c'est pour me dire que je sens mauvais. Mais pour qui tu te prends On t'a dit que je ne me lave pas Calme-toi, ma chérie Anna. Ce n'est pas ce que je veux dire. Et tu sais, certaines odeurs ne sont pas agréables à aspirer. Quand on vit en communauté, on doit penser aux uns et aux autres. Hein. On partage cet espace de travail commun à cinq, imagine. Le reste de l'équipe s'est déplacé. Il ne reste que toi et moi dans ce bureau. Je te laisse deviner pourquoi eux, ils ont déserté tu veux dire c'est à cause de moi. et moi je le sens pas très fort. Tu ne peux pas tout le temps le sentir, ma belle. Et n'es pas la seule dans cette situation. Nous pouvons tous avoir une forte odeur, mais l'entretien corporel nous différencie. Tu fais quel genre de soins d'épilation déjà Soins Non, moi je ne m'épile même pas. Je ne mets même pas du parfum. Dieu m'en a pourquoi L'islam, c'est avant tout la propriété. Et cette année, avec une période de forte chaleur, et qui dit transpiration dit odeur corporelle, on doit donc, à défaut de ne pas pouvoir se rafraîchir au milieu de la journée quand on sort, faire des soins. On peut s'épiler ou utiliser ce simple citron pour se frotter les aisselles et toutes les parties du corps qui se plient. On peut aussi utiliser du bicarbonate de soude pour appliquer comme une crème qu'on peut nettoyer pendant le bain. Hmm, je ne savais pas que cela dérangeait autant les autres. J'ai leur dois des esquisses vraiment. Aujourd'hui, dans les transports en commun, les gens me regardaient bizarrement peut-être que je sentais pas bon. Il se pourrait bien, ma belle. Quand tu vois dans les bureaux, les transports en commun, les banques et des espaces clos où les gens se réunissent, on doit vraiment faire attention à ce qui peut rendre ceux qui nous entourent mal à l'aise, surtout pendant cette forte chaleur. Tu as raison, mais tu sais, j'aime mis du parfum aussi. Hein. Souvent, le parfum, c'est ce qui empire même l'odeur, donc il faut être propre avant de passer au parfum. En tout cas, je te remercie pour euh, l'attention. Je vais faire des fois prochainement. Je t'en prie, ma chérie, merci à toi de m'avoir écouté.